عليه سلام الله جمولي فاسقي ولا كل ذي من وسائل ورتبة عن المصطفى وذوقوا الكفار والكل جزوا وزاد على الاعداء متابيع في الدجى وكل زجاء زاد الكفر يجزوا وزاد المجيء لهم ذو تجرم يبوج بان يبكي فيمحى تجرم ايا خادم المختار لا تنسى فمن ينزل أبو بكر الصديق زوز الخوى الوفاء رفيق النبي فقد قال أنه أبو عبد الفاروق وثرواه نادر به تسجيل مصطفى إذ يخزو عبيسى بمن دار à Touba aujourd'hui, c'est à l'image de ce qu'on a à Dakar. Donc à Dakar, aujourd'hui, on a au niveau de la décharge, mais un peu partout au niveau de Dakar, des déchets plastiques qui sont collectés et qui sont valorisés. Donc c'est ça, cette filière-là qu'on souhaite développer à Touba. Avec et donc euh, M. Lowe l'a dit, il nous accompagne pour mettre en place un centre de pré-traitement qui fera 3 tonnes par jour. Et nous sommes venus voir aujourd'hui par rapport à ce pré-traitement-là, quels seront les besoins potentiels de nos partenaires, parce que si on pré-traite, il faut qu'on aille euh, trouver un débouché pour ce euh, plastique pré-traité. Donc je pense qu'aujourd'hui, Sympa et dans euh, et reprend ce type de produit. Donc il était important qu'on passe aujourd'hui à Sampa pour voir déjà comment se fait ce pré là euh, cette production de produits finis mais aussi voir les besoins pour pouvoir euh, coller avec ce qu'on va sortir au niveau du centre de pré-traitement qu'on veut mettre à tout bas. Encore revenir sur le, rôle de tout un chacun. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, euh, le chef du village que je salue euh, de Daruminam est là. On a démarré le pilote là-bas. On est sur 200 ménages qu'on veut étendre sur l'ensemble du village de Daruminam. On a deux poubelles qui sont installées. Ils trient le plastique. On a un centre donc, euh, qui est à beaucoup le Moubarak où on va faire le pré-traitement. Et donc les femmes aujourd'hui vont s'organiser pour que le tri soit vraiment effectif au niveau de leur quartier. Après, vous avez les récupérateurs, les charretiers d'abord qui vont prendre ce déchet et l'amener au niveau du centre et les récupérateurs qui vont se charger de faire tout le travail qu'on aura à faire sur le centre de prêt traitement C'est juste ça que je voulais euh, lancer en termes de mots. Vous remercier à nouveau et euh, remercier toute la délégation qui est là, tout ce que je n'ai pas cité. Euh, et souhaiter une bonne visite à tous. Merci beaucoup. la communication, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne ça nous donne beaucoup plus d'avance et une capacité de pouvoir expliquer et de pouvoir orienter nos stratégies. Donc nous attendons beaucoup de cette visite euh, parce que ce qui est attendu à Touba, c'est vraiment la transformation à travers le recyclage. Et comme c'est une zone où la transformation n'est pas très très présente, peut-être qu'avec ce qu'on apprendra d'ici et après avec votre accompagnement et le reste, ce qui se fera, parce que tout va rester une zone ouverte à tous les partenaires qui sont capables d'investir et d'accompagner. Et surtout les couches qui ont besoin non seulement des outils euh, plastiques euh, à moindre coût, mais aussi de l'emploi c'est très important au-delà de tout ce qui est euh, lutte contre euh, les, les, pollutions. Donc vraiment, nous vous remercions de l'accueil et nous sommes très satisfaits. Merci beaucoup. On donne des EPI, on les donne des, euh, des matériels pour valoriser leur métier, valoriser leur travail. Et de notre côté, on va financer la construction d'une unité de pré-collecte avec euh, des travaux de génie civil, mais également l'acquisition d'équipements qui va venir de l'étranger, Chine, Turquie, pour mettre en place, faire ce que est en train de faire Makumba au niveau de ses installations. Et on fait beaucoup de renforcement de capacité, parce que le changement de comportement, euh, il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que l'ONG nous accompagne depuis euh, l'année dernière et jusqu'à l'année prochaine pour changer le comportement au niveau des ménages, au niveau des villes donc c'est un processus très intéressant et quand vous aurez le temps, on vous invitera à Touba pour voir ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. bonjour tout le monde. donc je vous remercie d'être là quand on a reçu le le courrier de Estelle on était très content et directement on a répondu parce que tout ce qui touche à l'environnement à l'écologie à la propreté du Sénégal ça nous tient à cœur donc malheureusement, au Sénégal, il y a des déchets partout. Il y a des déchets partout et la principale des déchets, c'est le plastique. Donc, on est des acteurs économiques, certes, mais avant d'être des acteurs économiques, on est des citoyens. Donc, quand on va à la plage, on va dans la brousse, on voit des, sachets partout, des déchets, ça ne nous arrange pas et c'est pas beau pour le pays. C'est pas beau pour les touristes qui veulent venir. Ils vont dire, c'est quel pays ça C'est pas un pays, c'est une poubelle. Donc, c'est pas bon. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y a des acteurs qui veulent s'engager dans ce domaine du recyclage, vraiment, c'est avec très grand plaisir et on les accueille et on les accompagne. Parce que s'il y a plusieurs acteurs, de plus en plus d'acteurs, au final, je pense qu'on va éradiquer les déchets. Dans tous les pays du monde, il y a des déchets. Les pays du Nord, là, les, les Norvèges, Suède, Finlande, tout ça, ils ont plus de déchets qu'au Sénégal. Il y a plus d'habitants, il y a plus de consommation. Mais ils ont réussi à, gérer ces, déchets. Et même ces pays-là, ils importent des déchets d'autres pays et ils font de l'électricité avec. Donc nous, au Sénégal, on critique les déchets, mais certes, aujourd'hui, c'est un problème, mais il faut, il faut voir comment ce problème peut devenir une opportunité. Donc c'est pour ça que nous, euh, à la Sympa, on a décidé de ne pas rester les bras croisés. Depuis de nombreuses années, on s'est lancé dans le recyclage et on accompagne beaucoup d'entreprises dans la collecte. On accompagne Proplast et aujourd'hui on a 15, 15 sociétés qui avant c'était des informels. On, les a poussés à devenir formels. Ils nous livrent avec facture, avec TVA, tout. Et on les encourage, on les a formés sur le plastique, sur plein de choses. Donc, euh, je suis content. Il y, a, le volet production, donc Sympa est un producteur, il y a des récupérateurs, des charretiers, des collecteurs, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est important, c'est les mauvais comportements. Il faut qu'on arrive à changer les mauvais comportements. Parce que c'est ça, ça, ça c'est un grand problème. Si tout le monde jette dans la rue, la rue va toujours être une poubelle. Donc nous, on a notre part de travail à faire, les industriels de plastique, les collecteurs ont leur part de travail à faire. L'UCG, vraiment, ils font du bon travail. Je vois les kiosques verts là, voilà, un peu partout. Voilà. Il faut que les ménages, ils ont des poubelles, parce qu'actuellement, les ménages n'ont même pas de poubelles. Ils mettent dans des cartons, ils laissent le carton dehors. Voilà. 3 kilos, c'est 60 tonnes. Donc c'est grâce à la commande là, de GIZ de 20 000 poubelles, on a collecté avec Macumba 60 tonnes de la décharge. Mais si on n'avait pas eu la, commande de GIZ, les 60 tonnes là, ça reste encore dans la décharge. Donc même la dernière fois, on était en réunion avec les ministères de l'Environnement, j'ai dit la même chose. Comme par exemple, on fait les logements sociaux là, les 100 000 logements sociaux. En Côte d'Ivoire, ils fabriquent des briques des briques avec euh, plastique recyclé. Maintenant, les 100 000 logements sociaux là, si on faisait ça en briques, en briques avec du plastique recyclé. Ou bien si on fait des pavés en plastique. Et l'État là, il commande, il fait de grandes commandes auprès d'industriels. Là, à ce moment-là, on va acheter et vendre, acheter et vendre, ça va tourner. Il faut que ça tourne. Mais voilà, exactement, pour créer des emplois. Voilà, donc on a vraiment que, besoin que l'État euh, soit la locomotive. Elle aide les industriels à, à écouler les produits. Parce que le plus grand client, c'est que l'État. Voilà, c'est pour ça que j'ai profité. <laughs> Merci beaucoup. Donc il faut qu'on organise toute la filière. Donc si chacun met sa pierre à l'édifice, je pense qu'on va réussir. Donc euh, vraiment, le, secteur du recyclage s'est beaucoup développé à Dakar, dans la région de Dakar ces dernières années. Je pense que Sympa y, a, y est pour beaucoup. Et ça serait une bonne chose que ça se développe dans, les autres régions. C'est pour ça qu'on a reçu le courrier pour nous dire que vous voulez développer le recyclage à Touba. Donc vraiment, on était très contents et on est là pour vous accompagner. Hein. Vraiment, on est content de vous recevoir. On va vous faire visiter l'usine. Vous allez voir l'usine de recyclage et vous allez voir l'injection L'injection, c'est là-bas où on fabrique les bassines, les seaux, à partir de, produits, de produits recyclés. Soyez les bienvenus. Merci. Après, c'est la nettoie, c'est ça, la première étape. Parce que pour nous amener à la première étape. Ils l'ont, trié, ils l'ont mis par couleur. D'accord Mais parfois, il y a du fer, il y a du sable, il y a des jeunes filtres à l'intérieur. Donc, nous, on va passer ça sur une machine qu'on appelle le tamiseur. على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي قام عليك صلاة الله يا خير مجتمل بتسليمه يا من عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي خالد

بلا سكر مستقيم عجائب في البر والبر لمدى بكونك مخدومي علومي وإرفاني وسعي زكية لمن بك لي خادم علي بما بالله أني ما وسقاياني بخيرك ما سرى إلى بالبرايا وتوقنا كلي بما في لي من غير بموزن ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمول الكريم منها أرسل المختار عبدا مقدما قليلا قليلا فائقا جملة التبليل لو دار أمدائي قديما مخاطبا وللقاد في أمدادي قلبه لك المعجزات القرب يا خير سيد عليك سلام الله يا جامع الشمس لقد كنت سفارا ثبورا ونازلا عليك سلامنا يا ماي الجليل لك المعجزات الخارقات التي بها أتى القبر من خير بلا جملة الرسل لك سلم قدارا بزاق بداوة كما التقى بدر الخام لمن أنزل الآية التي كتاب العزيز البين من قلب الفزين مثالي والأوثان وعبد الملوككم وعودة روحي ونفسي بالملي لوت ردياتي ويمي وخدمتي ورؤي وجمالي وكلي بلازمي لا أنت الخليل لي ويا خير ثابت وثرواك لم يقلوب ما في السماء لا أنت الخليل لي ويا خير ذهب وثرواك لم يقلوب ما في السماء لا أنت الخليل لي ويا خير ذهب وثرواك لم يقلوب Adiós. عن المصطفى في المنقذ وجيه صلى وإلا كونه سيدا بهم وقد دوقوا الكفار والكل جزوا أسود على الأعداء متابيع في الدجى وكل زجاء لا تزل الكفر يجزوا أسود المكي لهم سوء تجرم يبوج بأن يبكي bokkul a nga bëri changement comportement bi tubaab bi dañuy tàggat. mu lay wax maanaam dañ fa nga réussir bu ko dégg du mm-hmm. doon ñun doomu la ñuy sori du doon tubaab doomu la ñuy sori mun naa wax askan ak te yombatul nag léegi foo benn baat soo ko jàngoon da nga sonn loolu mm-hmm. dëkk boo la dëkk jàmbur mm-hmm. tubaab ngay laal ñu la la dëkk jàmbur waaw loolu waaw loolu wax dëgg jàmbur la maanaam jàmbur bu nekk am nga ci am nga ci wàll ja mooy loolu la ñuy wax dëgg jàmbur. waral li nga li ma lay dëggalee li ngay wax wax jii may wax nii damaa dëggalu fit rek waaye fi mu ne ku ma doon wax ba sëñ Moustapha may yëkkati loo xam ma arrêté waaw te loolu moo nekk ci ñuy ñëpp waaw kon loolu la foo ko moom loolu la ko ñu réussir ko amuñu droit bañ ko réussir parce que buñ ko réussir ñeneen ñi dinañ xam ni lii yoon la woo xam ne ku fi jaar nga soxla yombul nag ay jëf yoo xam ne nii ay nit ñoo xam ne war a nekk ci maanaam mbirum xeet wala mbirum jiw jiw wala wala. dëkk bu benn mais jëf ju rafet aussi ñëpp ko bëgg. dëkk bu xel bu xel ñaareel bi mooy solo. parce que bu merci cher. mais comme ni ñu ko waxee daal waaw parce que on va on va faire ça. bu yàggee dana am njëlbeen bi daanaka day mel ni bañuwaar wala bërigo ndox booy sotti ci géej lay doon solo rek mooy tàmbalee ci tàmbalikaay mën nañu am option li ngeen ñu may dañuy permettre loolu dañu xam ne li ñuy fi ñu tàmbalee am nañu ko soxla am na ko mënoon ni bu dee nag ànd ko ñëpp boo ko defee sax mën te boo xasee ba lënd dugaan dana jafe kon nag euh, doxinu kàkk tàkk la foo loo weesu xam ne weesu nga ko loola aw yoon gën a góorgóorlu xëy na beneen bi ci des moom ñu xool comme ni ñu ko waxee comment bari parce que nit ki li muy jëfandikoo ko mënoon

à moyen na loo xam ne day xaw a kon loolu lépp yaakaar ay politique la yoo xam ne dañ ko war a ci biir mën a xam ne moom lañ gën a propulsé ba li ci ëpp buñ koy def localement parce que nag am na ci yoo xam ne comme moom kay am ci matière yoo xam ne ci bees lañ koy jëfandikoo mooy comme mbuus yi nga xam ne ñu nekk nañ mais am na yeneen objet yoo xam ne daanaka ci diggante ñu sonnee ci ne bu mbuus ñëwati kon duñ sonn ay doomu lor mën nañoo seet noo xam ne nii mbuus yi ñëw nan lañ koy transformé ba mën amal beneen utilité boo xam ne nii. مجيد المجيد leneen li ci des nag mooy dañuy seet nag lan moo waral lañ jëndee ci biti bi gën a yomb ba ñëpp dañ jëndee ji foofu gën ko yomb

c'est tout un ensemble. il faut qu'on y jël pour bu ko defee nag impliqué bi. daal moom du recyclage juste pour en parler. Nous, on essaye d'agir. On fait des actes, nos propres déchets, on les recycle on essaye de récupérer des déchets, on travaille avec des collecteurs, on travaille avec plus de 15 fournisseurs de matières premières pour recycler Et on est très heureux aujourd'hui de participer et de contribuer justement à l'épanouissement de la ville de Cuba et notamment avec Estelle Et je suis très contente parce que j'espère vraiment qu'on sera des partenaires, des collaborateurs et on sera toujours à votre service en tout cas pour vous aider et pour vous accompagner. Ça c'est sûr, soyez, soyez, soyez en certains. Vous êtes les bienvenus et puis bon appétit. Merci. non, je suis. direct,